Man quotidien d'aujourd'hui, 9 juin 2023. Thème ne voit plus parfaite. il ne voit plus parfaite. Prions, Père, nous te remercions. Nous te glorifions, pour ce que tu veux dans notre vie. Tu es un Dieu grand qui fait tout sur selon sa volonté. Nous prions, Seigneur, que tu nous guides encore aujourd'hui ce matin. Seigneur, tu as de bonnes choses à nous donner. Oh Seigneur, aide-nous à l'écouter et mettre en pratique, Seigneur, au nom de Jésus. Nous savons, Seigneur, car tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Thème d'aujourd'hui, c'est une voix plus parfaite. Lévitique chapitre 16, nous en partir du verset 20 jusqu'au verset 34. Lorsqu'il aura achevé de faire l'expiation pour le sanctuaire, pour la tente d'assignation et pour l'autel, il fera approcher le bouc vivant. Aaron posera ses deux mains sur la tête du bouc vivant et il confessera sur lui toutes les iniquités des enfants d'Israël et toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché et il les mettra sur la tête du bouc puis il le chassera dans le désert à l'aide d'un bâton qui aura cette charge. Le bouc emportera sur lui toutes leurs iniquités dans une terre désolée et il sera chassé dans le désert. Aaron entrera dans la tente d'assignation et il quittera les vêtements de l'un et il avait mis en train dans le sanctuaire et il les déposera là. Et il lavera son corps avec de l'eau dans un lieu et il reprendra ses vêtements. Puis il sortira, offrira son holocauste et l'holocauste du peuple et fera l'expiation pour lui et pour le peuple. Il brûlera sur l'autel la graisse de la victime d'aspiatoire. Celui qui aura chassé le bouc pour Azazel lavera ses vêtements et lavera son corps dans l'eau après, cela et le rentrera dans le champ, dans le camp. On emportera hors du camp le taureau d'aspiatoire et le bouc d'aspiatoire dont on a porté le sang, dont le sanctuaire pour faire de l'aspiration, et l'emblera au feu leur peau, leur chair et leurs excréments. Celui qui les brûlera lavera ses vêtements et lavera son corps dans l'eau. Après, après cela, il rentrera dans le camp. C'est ici pour vous une loi perpétuelle au septième mois, le dixième jour du mois vous humilierez vos âmes et vous ne ferez aucun louvage ni indigène, ni étranger qui joue au milieu de vous. Quand ce jour, on fera l'expiation pour vous, enfin, vous, de vous purifier, vous serez purifié de tous vos péchés devant l'Éternel. Ce sera pour vous un sabbat, un jour de repos, et vous humilierez vos c'est une loi perpétuelle. L'expiation sera faite par le sacrificateur qui a reçu l'onction et qui a été consacré pour succéder à son père dans le sacerdoce et il se revêtira des vêtements de lin, des vêtements sacrés. Il fera l'expiation pour le sanctuaire de sainteté, il fera l'expiation pour la tente d'assignation, et pour l'autel, et il fera l'expiation pour les sacrificateurs et pour tout le peuple de l'assemblée. Ce sera pour vous une loi perpétuelle. Il se fera une fois chaque année l'expiation pour les enfants d'Israël à cause de leurs péchés. On fit ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse. Le verset clé, c'est le verset 30. Car c'est dans ce jour qu'on fera l'expiation pour vous enfin de vous purifier. Vous serez purifié de tous vos péchés devant l'Éternel. Amen. Le péché est le plus grand défi de l'homme sur terre. ce qui sépare l'homme de Dieu. Le péché a servi. Et personne ne peut de lui-même annuler son péché et ses conséquences. Plus l'homme essaie de s'intilper du péché, plus il s'enfonce dans l'abîme de l'impuissance. Pour être libre du péché, il faudrait donc l'intervention d'un pouvoir supérieur. Celui qui seul sait démêler l'homme de la tyrannie du mal et de la méchanceté. Le Tout-Puissant Dieu a pris l'initiative avec les enfants d'Israël lorsqu'il a nommé Aaron comme souverain sacrificateur. Son travail consistait essentiellement à faire l'expiation pour les péchés des Israélites. Pour ce faire, un jour lui était réservé chaque année pour entrer dans le lieu très saint du temple, faire des sacrifices d'animaux pour laver son propre péché et le péché du peuple d'Israël. Ainsi, chaque année, la nation tout entière s'est arrêtée pour permettre aux grands prêtres de répéter ce rituel d'expiation selon des règles très strictes. Sans aucun doute, cet ancien système d'expiation ou de couverture de péché était grossièrement limité et n'apportait pas de solution permanente au problème du péché de l'homme alors que les sacrifices d'animaux d'Aaron n'ont reçu qu'à couvrir temporairement les péchés du peuple, le sacrifice de Christ lui-même a emporté une purification totale du péché, une fois pour toutes. Aujourd'hui, nous pouvons maintenant nous approcher ardemment du trône de la grâce pour obtenir miséricorde et grâce en cas de besoin. Les pécheurs peuvent voir leurs péchés pardonnés s'ils placent leur confiance dans le Seigneur Jésus-Christ, qui est l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde entier. Amen. Pensez du jour. Christ est le seul chemin qui mène à Dieu. Christ est le seul chemin, la seule voie qui mène à à Dieu. La Bible en un nom. Deuxième Chronique chapitre 5 jusqu'au chapitre 8. Deuxième Chronique chapitre 5 jusqu'au chapitre 8. Prions. Père, te remercions. Nous te remercions pour ce que tu as fait notre vie. Nous savons que Seigneur, tu es un Dieu grand et tu fais tout ce selon ta volonté. Ô Père, nous prions que tu nous aides. Seigneur, reste et le seul qui nous rend pur. Et tous les autogardes, les pécheurs, nous tous qu'on vient vers toi pour la sainteté, pour la purité, pour la purification. Nous qui sommes nés de nouveau, aide-nous à venir encore vers le sang de Jésus pour être sanctifiés et purifiés au nom de Jésus. Ceux qui ne te connaissent pas, tâche, touche-les, qui viennent vers toi et reçoivent sauvé au nom de Jésus. Seigneur, nous te remercions quand nous savons que tu l'as fait. Au nom de Christ Jésus, nous avons prié. Amen.